Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Isidio Kalangou. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. La dénonciation samedi 16 mars de l'accord militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. À suivre la sortie médiatique le samedi 16 mars du président de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef. L'institution affirme avoir recouvré quelques 25 milliards de francs CFA d'avoir illicite. L'actualité, c'est aussi la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec euh, le Niger euh, du côté du Nigeria et séjour euh, du côté du Niger. Une décision qui fait suite à celle des chefs d'État de la CDAO à l'issue de leur sommet du 24 février dernier. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir. Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir, Et Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou, forum de la presse sur Studio Kalangu commence dans un instant. Dans un communiqué publié samedi 16 mars dans la soirée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement de transition ont dénoncé avec effet immédiat les accords de défense avec les États-Unis. Cette annonce intervient quelques jours après une nouvelle visite à Niamey d'une délégation de hauts responsables militaires conduite par la sous-secrétaire d'État aux affaires américaine Molly est et le commandant en chef des forces américaines en Afrique, Africom. Ainsi donc, après la France, le Niger met fin à sa coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Pour rappel, les États-Unis d'Amérique disposent d'une base militaire à Agadez dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Même vous avez certainement suivi le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, lu à la télévision nationale. Dans ce sens, euh, que peut-on retenir au sujet de ce communiqué du CNSP Mokhtar, c'est tout à fait clair, euh, le communiqué pour euh, tous les Nigériens qui l'ont suivi. C'était un communiqué qui était clair. Mettre fin à la coopération euh, entre euh, les États-Unis d'Amérique et le Niger. La coopération militaire. La coopération militaire surtout, parce que c'est la coopération militaire que nous parlons. Donc, il y a eu des explications, des sous-entendus, il y a eu tellement de, choses qui ont été euh, relevées. Au sein du communiqué. Euh, au sein du communiqué. Euh, Ce n'est pas une surprise, en tout cas pour les Nigériens, parce que avant même cette décision, la prise de cette décision par le gouvernement, il y avait déjà une délégation américaines qui étaient ici au Niger, qui avaient séjourné deux jours et qui n'ont pas pu s'entretenir avec le chef de l'État, puisqu'ils ont dit que c'était dans le cadre de la reprise des coopérations militaires entre le Niger et les États-Unis. Bon, le communiqué euh, pour tout Nigérien, euh, sincèrement, honnêtement, euh, quand tu fais une petite analyse de cette situation, depuis l'installation de cette base militaire américaine ici sur le sol nigérien, pratiquement... Plus précisément à Agadez. pratiquement, nous n'avons rien vu de ce que l'armée américaine a fait ils, ont fait, non, ils ont fait des dons. Non, pas les dons. Euh, des avions. Les, dons, les avions, c'est pas. En fait, c'est pas ce que nous nous voulons. Nous nous voulons une coopération où ils vont nous aider. À travers les renseignements. À, travers les renseignements, parce qu'ils ont des, des, appareils sophistiqués. Des drones. Des drones, tout. Donc, c'était à peu près ça que nous, nous voulons. Et depuis leur installation, depuis vers 2000, euh, je pense bien 2015. 2013. 2013, au début où le terrorisme avait euh, commencé dans certaines régions euh, du pays, on pensait qu'on allait éradiquer avec euh, les Américains cette situation. Mais aujourd'hui, même la base qui se trouve à Agadez, regardez ce qui se passe à Agadez. Agadez également. Et, il y a le banditisme. Il y a le hein. Il y chaque jour des trafiquants. La, la fraude, le, trafic de tout genre. Donc ça veut dire que s'il y a une base militaire là-bas, cette base militaire, même dans cette région, c'est une région qui est déstabilisée aujourd'hui. Donc moi, je ne vois pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'aujourd'hui cette base militaire peut apporter de plus pour le Niger si c'est des dons, on en a besoin des dons, c'est vrai, mais il n'y a pas seulement les États-Unis qui peuvent nous amener des dons. Mais les États-Unis étaient ici pour euh, un objectif bien précis, c'était la lutte contre le terrorisme. Et jusque-là, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme efficace que les Américains ont fait plus que les Français. Merci beaucoup, Mme Gado. Euh, cette euh, décision intervient après une visite de trois jours euh, d'une délégation américaine, Memouna l'avait dit et tout de suite, menée par la, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Moulife, qui n'a pas pu rencontrer le chef de l'État, Abdraman Chani, durant son séjour ici au Niger. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché, selon vous, Arimi moi, je pense que le président, le chef de l'État, euh, n'a pas tout simplement voulu leur donner un faux espoir. Euh, parce que qu'est-ce que, vous appelez faux espoir Oui, parce que euh, eux, malgré tout ce qui s'est passé, notamment avec la France, mais aussi le CNSP a été clair que tous les accords n'est-ce pas, qui ont été signés avec les autres puissances, les accords euh, militaires. qui ont été signés avec les autres puissances, euh, vont aussi être révisés. Parce que, euh, bon, ces accords, on a vu, particulièrement pour les États-Unis, c'est un scandale, n'est-ce pas Ça ne prenait en aucun cas en compte les intérêts du, du Niger. Et euh, qu'au XXIe siècle, en 2024, qu'on ose signer de tels accords au nom d'un État, c'est vraiment euh, une catastrophe. À quoi ils pensaient ceux qui l'ont signé, ceux qui l'ont fait signer, n'est-ce pas Selon certaines sources... mais En quoi est-ce que cet accord dérange le Niger et les Nigériens Non, ça ne prenait en aucun cas les intérêts, du Niger en compte. Maïmouna là a, a, parlé parce que c'est ce qu'on nous a fait croire quand euh, les Américains sont venus, quand les Français sont venus et quand tous les autres sont venus, que toutes ces euh, armées, n'est-ce pas, vont venir nous aider. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. oui, mais il n'en est rien. Euh, concernant les États-Unis, les gens ont cité des aéronefs ou quoi qu'ils nous ont donné et tout, mais ce n'est pas ça le terme de l'accord. Tout simplement, ces accords-là disent qu'ils vont venir s'installer avec des avantages euh, inestimables, avec des, avantages carrément impensables, notamment en, euh, matière d'exploitation aéroportière, en des Mais c'était vraiment c'est inconcevable euh, et je crois que c'est une très très bonne chose, n'est-ce pas que cet accord soit purement et simplement dénoncé et selon les tendances que je vois, moi, euh, ça va être négocié, n'est-ce pas euh, Que les Américains tiennent euh, à cette base-là, et bien s'ils tiennent, que ça se fasse dans l'intérêt du Niger et surtout pas contre le Niger. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit et pour ça, au vu de tous les actes posés depuis, depuis juillet 2026 jusqu'à ce jour, concernant ce genre d'accord par le CNSP. Moi, je pense qu'il euh, faut croire, il faut, mais aussi je tiens à souligner le courage qui sous-tend vraiment toutes ces décisions de dénonciation, parce qu'il ne faut pas rêver. Moi, je pense qu'un régime civil euh, je ne vois pas sous nos tropiques les régimes civils capables aujourd'hui de faire de telles D'avoir un tel courage. Oui, oui, ouais, c'est très courageux et même audacieux à mon sens. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Et ça sera renégocié parce que c'est une base extrêmement stratégique. Pour, les États-Unis. Pour les États-Unis. Et la balle est dans le camp des États-Unis parce que euh, tout laisse croire que euh, les pourparlers, les échanges avec euh, euh, l'autre protagoniste, parce qu'il y a un protagoniste qui n'est pas cité, qu'on ne voit pas du tout dans l'affaire, c'est la Russie. Est-ce qu'ils vont venir parce que le Niger est désormais aussi libre de choisir ses partenaires. Est-ce que des négociations ne sont pas avancées à ce sujet tout ça, c'est des, des non-dits. Mais toujours est-il que vraiment, euh, plus ou moins, on va dire que le CNSP a joué sa partition. La balle est dans le camp des États-Unis. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Hussein Sajibou. Les États-Unis disposent d'une importante base aérienne à Agadez, au nord du Niger, qui joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine au Sahel. 1100 soldats américains y sont engagés dans la lutte anti-djihadiste. Quelle est votre opinion au sujet de la relation tendue entre le Niger et les États-Unis d'Amérique? Tu viens de dire qu'il y a 1100 soldats qui sont là pour. Euh, dans le cadre de la lutte anti Mais est-ce que, depuis qu'ils sont là, là tu as entendu une seule voix parler d'une intervention quand nos troupes sont sur le terrain confrontées à des situations délicates Est-ce que tu as entendu une seule fois des troupes américaines ou des troupes même françaises intervenir, venir en soutien Depuis tout le temps que ça dure, il n'y a jamais eu ce genre de. Pour le cas de la France, ils ont fait des patrouilles Tongo, Non, mais, non, mais bien sûr, Tongo Tongo, c'est un cas. On a vu ce que ça a donné Tongo Tongo. On a vu comment les Américains étaient tenus. Il fallait trouver actuellement, il y a les chefs des villages et tout et tout qui sont en prison jusqu'ici par rapport à l'affaire Tongo Tongo. On nous tue tous les jours, on nous tue des, pauvres villageois, ils font des embuscades à nos militaires. En réalité, c'était une supercherie. Y compris non seulement l'implantation de la France, on a vu comment ça s'est passé, mais les Américains, c'est encore plus choquant. C'est encore plus choquant, les Américains. Et quand vous voyez un peu le laps de temps dans lequel ça s'est produit, en 2011, il a suffi qu'ils prennent le pouvoir. En l'espace de deux ans, ils se sont arrangés en cachette pour faire venir, dans des conditions très, très, très, comment dire, choquantes, faire venir des troupes. Oui, ce que, les Nigériens déplorent, c'est que euh, l'accord n'a pas eu l'aval de l'Assemblée nationale. Oui, mais bien, non, mais attendez, attendez. Kunche était militaire. Quand Kunche est venu, la première chose que Kunche a fait, n'est-ce pas C'était un militaire. Hein. Mais il a compris, on ne peut pas cohabiter. Où on veut notre souveraineté, on construit notre armée, on se défend. ou on va compter sur l'armée de... Quelqu'un va venir te défendre. La traîtrise a commencé à ce niveau-là. Et ça, ça, ils ont dit et ils ont reconnu. Quand on a décliné un peu le contenu de cet accord-là, tout à l'heure, Arimi vient de dire, mais nous n'avons rien gagné dedans, il n'y a rien pour nous. cest à c'est comme si on leur a dit, venez vous installer et nous allons vous entretenir. Et vous allez faire ce que vous avez envie de faire chez nous. Personne ne va vous inquiéter. Voilà un peu les termes de l'accord. Hein. Alors, dans ces conditions-là. Vous, estimez que le Niger a été grigé mais, Non, mais non, plus que grigé. Et moi, je dis, ce n'est pas la faute aux Américains. Hein. Non, les Américains visent leur intérêt. C'est ceux-là qui les ont fait venir. Ceux-là qui les ont fait venir, ces gens-là doivent rendre gorge. Les, acteurs, acteurs politiques. Mais les acteurs politiques, c'était une affaire montée en cachette, tu t'imagines ce n'est pas possible. Il y avait une assemblée nationale. Mais même l'assemblée nationale n'était pas au courant. On a parlé de notes verbales. Notes verbales. C'est-à-dire, c'est comme s'ils décidaient, ils pouvaient, eux. Alors, une fois que des choses comme ça sont, sont découvertes, il faut rapidement agir. On a vu comment l'énergie. Il, faut, rapidement agir. Euh, comment, il faut agir Il faut rapidement. Moi, j'ai dit, oh, ça va nous mettre du temps. On a vu, pour faire partie les Français, on a vu le temps que ça a pris. Ils n'ont pas voulu quitter. Oui, mais est-ce que l'accord doit être renégocié selon vous Mais non, mais est-ce qu'elle est renégociée Renégociée sur quelle base Eux, ils sont venus, ils ont trouvé comment dire. Oui, on, peut, formaliser les accords. Oui, mais quand le CNSP, a, dans un premier temps, a dit, il a demandé à tous ceux qui ont une coopération militaire, qui ont, de donner, n'est-ce pas il y Je crois que ça n'avait pas donné, mais les autres ont donné. Mais c'est après. Et qu'est-ce qui a amené ça pendant que vous êtes sur le territoire de quelqu'un de manière illégale et vous voulez lui donner des injonctions chez lui par rapport à ce qu'il doit entreprendre, par rapport au type de partenariat avec qui il doit entretenir des partenariats. Voilà un peu la difficulté et c'est ça qui a mené le CNSP à décider de rompre des accords. Donc, selon, vous, c'est à cause de, de, cela que euh, le, chef de l'État n'a pas voulu accorder une audience à la délégation américaine. attendez, mais quand vous venez chez moi, vous dites vous êtes venu négocier pour voir dans quelle mesure on va revenir à la démocratie. C'est pas à vous de m'imposer. D'autant plus que je le soutiens, c'est mon peuple, c'est ma population. Alors, quand on voit comment il s'agit, on comprend pourquoi ils veulent que ce soit des civils. Parce que c'est des civils qui sont manipulables. Alors, est-ce que vous pensez un seul instant que quelqu'un peut aller, même une petite portion, un militaire euh, étranger peut aller s'implanter chez, ces gens-là Ça monte un peu. Pourquoi ils tiennent tant à ce que ce soit des civils N'est-ce pas Armée vient de dire quelque chose, c'est un acte de courage que le CNSP a posé. En dénonçant les Mais Bien évidemment, on ne peut pas rester avec ce type d'accord. Ou vous venez chez moi, je vous donne un terrain. Vous vous implantez, vous faites ce que vous voulez. Vous dites, vous êtes venu m'aider. Vous ne faites rien. Même quand je vous sollicite, vous n'êtes pas tenu de le faire. En plus, c'est moi qui vous prends en charge vos aéronefs, les taxes et tout et tout. C'est moi qui paye à coups de milliards. Pays pauvre, dernier en termes d'indice de développement humain. Qui va entretenir un pays, première puissance mondiale. Alors, voyez le paradoxe. Et qu'on dise que non, ils sont venus nous aider. Mais moi, je vais dire, depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils sont là, la force française, la force américaine, est-ce que un temps soit peu, la situation a changé la situation n'a pas changé d'un iota. Ce qui a fait, je vais prendre un cas, ce qui a fait changer la situation dans la région de Difa, c'est la force mixte multinationale Nigeria, et comment ça Tchad, Niger, et Cameroun. Voilà, qui ont mis en place leur, leur machine synergie et ils ont pu faire reculer machin. Ici, on a vu quand ils se sont mêlés dans cette affaire de G5 Sahel, on a vu ce que ça a donné. Rapidement. Ça son temps à faire du bruit, des réunions et tout et tout. Ça n'a pas prospéré. Alors, quand on constate que celui qui dit il va venir m'aider, il ne m'aide pas, Peut-être qu'il aide même ceux-là que je suis en train de chercher à combattre autant qu'ils s'en aillent. Merci beaucoup à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet, le communiqué du CNSP au sujet de la rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Euh, chers auditeurs et internautes, restez branchés. Il nous reste encore deux sujets à aborder. On observe une courte pause. Passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse sur Studio Kalangou. À la date du 16 mars dernier, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, a déjà recouvré quelques 25 milliards de francs CFA d'avoir illicite, dont plus de 20 milliards effectivement encaissés et 4 milliards en cours de lettres grâce à la saisine de milliers de titres fonciers parcelles, villas, immeubles et autres biens saisis auprès des mises en cause. L'annonce a été faite euh, samedi par euh, le président de la commission, le colonel Abdelwahid Jibo, au sortir d'une audience avec le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdraman Kiani, à qui il a fait le compte-rendu périodique des dossiers traités euh, par son institution depuis sa mise en place. Abachar Arimi, au sortir de l'audience avec euh, le chef de l'État euh, qui s'est déroulé en présence des membres du CNSP, le président de la COLDEF a indiqué que cela entre dans le cadre euh, des rencontres périodiques instituées à l'effet de rendre compte de l'état d'avancement des activités. Que peut-on savoir au sujet de cette annonce du président de la COLDEF Merci. Oui, j'ai suivi l'annonce, n'est-ce pas euh, mais pour beaucoup de choses, je suis resté sur ma faim. Euh, il faut quand même le noter. sur votre faim, ça veut dire que vous n'êtes pas convaincu. Euh, pas, non, je ne suis pas Ou bien satisfait. En tant que citoyen, citoyen nigérien. parce que, oui, il faut féliciter, féliciter la Coldef, n'est-ce pas Parce qu'on a connu, hein, c'était notre inquiétude d'ailleurs quand la Coldef a été créée, et mise en place et tout. Notre inquiétude, c'est que ça ne soit pas une commission de plus surtout qu'elle venait de remplacer la Altia, mais de la conférence nationale à aujourd'hui, on n'a connu que des commissions, mais des commissions qui sont souvent restées lettres mortes. Bon, sur ce plan, on va dire que la COLDEF a quand même franchi un pas, et un pas important. C'est quand même en combien de mois d'exercice, en trois mois d'exercice, ils sont à 20 euh, milliards de francs lourds euh, qui sont déjà récupérés. Ça, c'est une très bonne chose à mon avis. Et les 4-5 milliards qui restent aussi sont même récupérés parce qu'on nous parle de milliers de titres, euh, de titres fonciers, de, villas. qui ont été récupérés. Maintenant, ce pourquoi j'ai dit je reste un peu sur ma faim, c'est notamment concernant la répartition. Parce que euh, c'est une commission qui est chargée euh, de délinquance fiscale, de détournement et tout. Mais ce à quoi les Nigériens s'attendent actuellement, c'est surtout la question de détournement des deniers publics, n'est-ce pas, notamment euh, de 2011 à ce jour, n'est-ce pas Et donc, est-ce qu'ils peuvent nous dire, parce que oui, c'est bien de rencontrer le chef de l'État, de faire un point de vue euh, périodique, tout ça, c'est un point de presse euh, périodique, tout ça, c'est bien, mais dans un détail, sans peut-être citer les noms. Vous, vous direz qui, est qui, qui ont Non, non, nous dire, par exemple, en matière de détournement. Hein, concernant la question euh, des questions liées à l'or, à l'armement. Voilà ce qu'on a pu récupérer. En matière de ah. fraude fiscale, voilà ce qu'on a récupéré, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui mérite justement que l'État nigérien s'y penche parce que euh, vous vous rappelez la question de la commission de Nuhu et de Mourou euh, qui, de 2005, Kazarif, c'était pour lutter contre ce genre de choses, notamment en ce qui concerne le foncier, mais ça n'a pas trop bougé. Et là, cette commission arrive apparemment à faire bouger les lignes. Mais que nous, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir Maintenant, qui a volé concrètement dans notre caisse, dans la caisse de l'État, qui a un peu voilà, dribblé les impôts, ou bien vraiment tellement, était tellement puissant que les impôts ne pouvaient rien contre lui, pendant que nous, sur une facture de 100 000, on est obligé de payer 19 000 à tous les coups. Voilà, euh, d'enregistrer la facture, d'enregistrer si, on, on est tout le temps dos au mur parce que ce que tu gagnes, en fait, la moitié, tu reverses aussi à l'État parce que tu es faible. Donc, c'est de tout ça qu'il s'agit, mais sinon, euh, ils, ont, ils méritent tous nos encouragements parce que cet argent, on en a besoin. On a nos enfants qui sont malades, qui doivent aller à l'hôpital, on a nos enfants qui doivent aller à l'école, nos agriculteurs qui attendent les moyens d'entreprendre, de déplacer que nous avons l'accès à l'eau. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la journée, euh, euh, internationale, de, l'eau. Or, c'est quelque chose qui manque gravement à nos populations, alors que le Niger détient une réserve vraiment importante en la matière. Tout ça, pour pouvoir soutirer ça du tout seul, on a besoin de notre argent qu'il aille nous le chercher. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Abakari Arimi, Ousseinissa Jibo. Le colonel Abdelwahid Jibo a ajouté qu'au cours de cette rencontre, la deuxième Dijar après celle du 16 février 2024. Il a été présenté au chef de l'État un aperçu sur le résultat des dossiers ayant été traités par la COLDEF à travers ces différentes euh, commissions. Quelle est votre opinion au sujet du travail jusque-là abattu par cette institution Du point de vue de la mobilisation des fonds, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais moi aussi, j'ai sur ma faim. Comme euh, bien, évidemment, bien évidemment, parce que la commission n'est pas là que pour mobiliser les fonds l'argent qui a été détourné. Pour moraliser aussi Mais ça, la moralisation, la pédagogie. Aujourd'hui, on appelle, c'est de manière un peu ramassée, c'est du tout venant. Même si c'est dans une affaire où, bon, tu, c'est pas une grosse malversation, on t'appelle, on te dit, voilà c'est on te dit, hein. voilà c'est combien tu peux payer, parce qu'ils transigent en fait. Ils te disent, amène tel montant, tu payes, et puis bon, après, l'autre montant, on va trouver un échange pour que tu puisses rembourser. C'est bien beau. Ce que les Nigéras attendent aujourd'hui, c'est surtout les gros dossiers, n'est-ce pas Il y a eu de grands scandales dans ce pays. Et l'aspect pédagogique, c'est bien beau de mobiliser. C'est bien beau de mobiliser, dire qu'on a mobilisé autant de milliards et autant de milliards. Mais il faut faire la transparence de bout en bout. La transparence. Euh, Ça implique quoi Ça implique qu'on puisse dire, quand c'est des affaires sérieuses, qu'on puisse citer les noms, qu'on puisse dire dans quelle affaire n'est-ce pas Non, ça, mais je dire. ça intéresse aussi les Nigériens. non, mais ça intéresse, tu sais pourquoi tu, sais pourquoi ça intéresse C'est parce, que, ça, parce que quand on va revenir à, la démocratie, ah. il y en a qui vont hésiter, ils vont, ils vont réfléchir pas deux fois. Peut-être que l'action judiciaire suivra après. Non, non, je vais dire. Non, non, regarde, c'est pour ça que ça marche en Occident. Hein. Qui que tu sois, quand tu fais des malversations sur les deniers publics, ton nom est cité. Tu es devant le juge. Tu es traîné dans la boue. On ne peut pas te cacher parce qu'on cache, tu vas clandestinement, tu payes. Tu reviens, tu t'assois tranquillement chez toi. Tu, as payé juste une moitié. L'autre moitié, tu l'as gardée, les élections arrivent. Tu vas aller sur le terrain. Personne ne sait que tu as payé, n'est-ce pas Mais quand tout le monde sait que voilà, celui-là, c'est un détourneur de deniers publics, alors tu deviens un acteur dangereux pour la société. Ça peut jouer contre toi en tant que candidat. Les gens vont se dire, ah, c'est celui on a dit, il a volé, il a détourné tel nombre de milliards de francs CFA. Les gens vont hésiter avant de te prendre. Ils savent que demain, si tu reviens, tu vas faire la même chose. Et c'est ça qui est important. En matière de, dans ce genre de travail, il ne faut jamais occulter cette dimension en se disant il faut protéger les gens. Non, la personne qui a volé aujourd'hui volera demain, s'il n'est pas sanctionné. Alors, tant qu'à faire, parce que dans tous les cas, c'est un acte répréhensible. On ne peut pas faire les choses à moitié. Juste prendre l'argent et puis dire, bon, allez, vous êtes libre. Et puis après, on va voir. Vous voulez dire que tous les Nigériens ne sont pas sous la même loi, d'autres sont en prison pour les mêmes affaires. Moi, je dis, pourquoi on va cacher l'identité des gens qui ont commis des malversations, qui ont fait mal au pays des gens qui ont détourné, par exemple, l'argent qui doit être investi dans l'école pour booster l'école. Des gens qui ont détourné l'argent de la santé où on doit acheter des médicaments. À cause de ça, des gens sont morts. Pourquoi on va les protéger moi, je dis qu'il n'y a pas à protéger. Si on veut réellement mettre fin à ces genres de pratiques-là, il faut dénoncer, il faut aller jusqu'au bout en présentant même les acteurs. Quand on prend les petits délinquants, les voyous, les, réseaux-là, on met juste une bavette, non au, machin. Mais on les présente. Il y a d'autres qui nous floutent même pas, d'autres floutent. Il y a des voilà, qui floutent mais on met des baguettes, on les présente à l'opinion. Mais ici, on ne dit pas de les présenter. Moi, au moins de citer les gens. N'est-ce pas C'est important. Et, citer l'affaire dans, la, dans, laquelle, il, est, impliqué. Mais bien sûr, les, les, affaires ne sont pas les mêmes en termes de, en termes de, euh, en termes viandés, si tu, si tu veux. cest à que <laughs> quelqu'un qui a, qui, a, qui a détourné des milliards et quelqu'un, c'est mm-hmm. peut-être 300 000 ou 1 million, ou 2 millions. À cause de 2 millions, on vous met tous dans le même sac. On dit, bon, toi, 2 millions, viens payer 1 million 5, et puis après, on va voir les 500 000. Mm-hmm. Toi qui avais pris 2 milliards ou 3 milliards, on te dit, viens, tu tu payes 500 millions ou machin, on va voir. Mais le problème, c'est que quand ça va mettre, quand ça va finir, c'est que des gens vont échapper. Mais quand les noms sont cités, quand on sait c'est dans quelle affaire, mais les gars, il va raser les murs demain. Parce que tout simplement, il sait que tout le monde, il pense même, il pense que les gens l'indexent même quand ils passent. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo, Omemoune Diado. Pour rappel, la COLDEF a été créée par ordonnance du chef de l'État le 20 septembre 2023 avec comme pouvoir de mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatif à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. Quelles sont les attentes des Nigériens vis à -vis de cette institution, la COLDEF les atteintes des Nigériens, comme pour moi aussi, c'est euh, vraiment pour récupérer ce qui revient au peuple nigérien. C'est-à-dire ceux qui ont détourné durant combien d'années ce pays, qui ont mis à mal ce pays, doivent en tout cas rembourser. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de. Mais, je c'est ce qui se passe euh, certainement actuellement. Oui, mais c'est ceux qui se Ils sont en train de rembourser. Oui, ils sont en train de rembourser, mais comme on l'a dit, nous, on ne sait pas combien une personne a détourné et combien cette personne a mis, en tout cas, à la disposition de la collecte et qui a détourné. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, entre Nigériens, qu'on puisse se regarder et savoir qui et qui sont derrière cette histoire-là depuis des années. Parce qu'il y a d'autres qui se prenaient du plaisir à, voler dans les caisses de l'État pendant que d'autres ne pouvaient même pas trouver de quoi manger, à plus forte raison payer même les impôts. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement qu'on vit avec des voleurs. On vit avec des voleurs. Et normalement, quand tu payes, on doit te remettre à la justice pour que ça puisse continuer de l'autre côté. Il n'est pas question que tu payes et que tu reviennes t'asseoir. Non, il y a une justice pour ça aussi. Et dans ce cas, si c'est... Vous voulez dire que l'action judiciaire doit aussi euh, suivre Oui, l'action judiciaire doit suivre parce que quelqu'un qui vole les biens de l'État, demain, tu payes, tu rembourses et on te laisse en liberté. Mais même demain, tu auras l'occasion de voler encore puisque tu vas te dire que tu ne vas pas te retrouver en prison. Tu es là uniquement pour euh, prendre, rembourser, et, revenir comme si... Euh, oui sans préfinancement. Et, tu, deviens, et tu penses que tu es, tu as mesure demain de narguer encore le peuple nigérien. Mais, non Moi, ce que j'attends de la Coldef et ce que les Nigériens attendent de la Coldef, nous avons vu 25 milliards, euh, c'est déjà bon. Et il y a ceux qui ont, euh, qui n'avaient pas peut-être assez de finances, et, mais qui ont été saisis de leurs biens comme euh, des maisons, des, oui. Maintenant, c'est ce que nous, nous voulons. S'il y a une liste à faire, il faut faire une liste. De, toutes les personnes de toutes Les personnes qui sont impliquées à des degrés d'implication. Parce que la personne qui prend un milliard, aujourd'hui, il ne peut pas payer les 1 milliard ou il donne seulement la moitié de 1 milliard. Celui qui a 1 million seulement, on lui reproche de payer 1 million 500. Parce que tout simplement, il n'arrive pas à donner les 1 million ou bien il doit payer les 1 million. On lui dit non, non, non, on ne peut pas donc euh, te faciliter la tâche. Tu retournes en prison dans leur truc de, de, qu'ils appellent prison là-bas, là, jusqu'à ce que tu te décides à payer. Non, la loi est claire. Celui qui détourne, même si c'est 5 francs là, tu dois rapporter que tu as détourné 5 francs et la justice doit faire son travail. Selon vous, Maïmouna Diadou, euh, que faire euh, pour une bonne réussite euh, de la mission de la, de la Coldef Mais c'est d'équiper la Coldef, de lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir arriver à, collecter tout ça et, également mettre la main sur certains dossiers. Parce que jusqu'à présent, il y a des dossiers où il y a des dossiers où les Nigériens attendent la Coldef sur ces dossiers-là. Donc, faire en sorte que ces dossiers atterrissent au niveau de la COLDEF. Et c'est le chef de l'État qui est à mesure de faciliter les choses pour que ces dossiers-là puissent atterrir là-bas. Merci pour vos points de vue. On prend une courte pause avant d'amorcer la troisième et dernière partie du forum. Le Nigeria a annoncé le mercredi 13 février passé dans un communiqué de la présidence fédérale la réouverture de ses frontières terrestres et aériennes avec le Niger. Selon les autorités nigérianes, cette décision fait suite à celle des chefs d'État de la CDAO à l'issue de leur sommet du 24 février dernier. Par la même occasion, Abuja a décidé de lever toute les sanctions économiques, financières et commerciales imposées au Niger au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023, notamment la suspension de la fourniture d'électricité au Niger. Ousseini Sajibou, les frontières entre le Niger et le Nigeria doivent réouvrir avec effet immédiat à la suite euh, de la décision de la communauté ouest africaine euh, de lever euh, les sanctions contre le Niger selon une directive reçue par les services nigériens de l'immigration et des douanes jeudi 14 mars passé. Comment les populations de ces deux pays frères ont-ils accueilli la nouvelle, même si du côté du Niger, c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de réouvrir à leur tour les frontières africaines avec le Nigeria Vous savez, la fermeture des frontières, là, c'était une bêtise. Hein. Ah. C'est une bêtise. Bien sûr, c'était une bêtise. Ça n'existe même dans les de la CDAO. Parce la CDAO, c'est d'abord pour promouvoir l'intégration économique des peuples. Quand on décide de fermer les frontières, les gens, bien évidemment, c'est avec un ouf de soulagement. Dans tous les cas, malgré la fermeture des frontières, la mobilité a continué. Hein. Il y a eu des voies de contournement. Mais bien sûr, mais il y a toujours des voies de contournement. On peut pas. La police ne peut pas se mettre le long de la frontière. Voilà, c'est les mêmes villages. On a vu des villages au Niger euh, qui sont partagés où une partie est de l'autre côté, une partie du côté du Niger. Est-ce qu'on peut empêcher ça Bien évidemment, c'est avec un ouf de soulagement. C'était une bêtise. Mais ce que je me demande, mais pourquoi la frontière béninoise reste toujours, en tout cas de notre côté, reste toujours fermée La question reste posée. Mais alors, ah, avez-vous cherché à savoir Mais je me suis posé la question parce que d'abord, le Bénin a ouvert le 24 février déjà, juste à la fin de la réunion de la CEDAO, le Bénin a ouvert sa frontière, n'est-ce pas À ce moment, moi, j'étais à Cotonou. À ce moment précis, j'étais à Cotonou. Le 24, quand il y a eu la réunion, moi, j'étais à Cotonou. Mais de ce côté, notre frontière est restée fermée. Peut-être que c'est pour des raisons sécuritaires. Oui, mais hein. les raisons sécuritaires, ok, d'accord. Mais ça doit prévaloir même de l'autre côté. Parce que du les côté du Nigeria. Mais, bien évidemment, les deux pays feu, c'était ces deux pays-là. C'était nos voisins immédiats avec qui on commerce beaucoup. Mais en temps, le Bénin a mis de l'eau dans son vin, ils ont, ils ont compris que c'était une bêtise que de s'en prendre au Niger. Ils ont décidé d'ouvrir, ils ont regretté beaucoup de choses. Mais je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que. Parce que, vous voyez, c'est encore plus difficile c'est la frontière du Bénin qui reste fermée. Tu sais pourquoi c'est plus difficile Parce qu'il y a la navigation fluviale. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Il y a les pirogues. Oui, mais euh, malheureusement, les pirogues, c'est ça qui est compliqué, je vais dire. Quand vous allez, ça, freine, ça ah freine les échanges. L'élan. Ça freine les échanges parce que les coûts deviennent euh, importants. Le coût de transport des marchandises devient important. Il y a beaucoup de frais à payer. Alors, tant qu'à faire, c'est à patrouille du pont. Eux, ils ont dégagé tout ce qu'il y a sur le pont. Ça nous coûte quoi de faire le même dispositif quand j'ai vu les indications ou les directives qui ont été données, c'était de renforcer le contrôle et tout et tout, et au niveau, comme avait des, des postes contrôle. Mais on peut faire la même chose de l'autre côté. Parce que dans tous les cas, ça va éviter tout ce que les gens sont en train de vivre comme difficulté du côté du Bénin aussi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de commerces qui se font entre le Niger et le Bénin, surtout sur le plan alimentaire. Je vous l'ai dit. L'igname, le hein. pratiquement. C'est des choses que nous, nous consommons. Et le premier pays où ils vendent, c'est d'abord le Niger. Ils n'amènent pas vers le Nigeria. Ils n'amènent pas vers le Togo. C'est vers chez nous qu'ils amènent tous ces produits-là. Alors, si on ne peut pas, de la même manière qu'on a ouvert la frontière, on a accepté d'ouvrir, de cette même manière, moi, je pense qu'il faut ouvrir avec le Bénin et renforcer la frontière. Et c'est davantage, davantage encore plus facile parce qu'il y a l'eau qui nous sépare. Le contrôle est beaucoup plus facile, moi je pense, du côté du Bénin que du côté du Niger. Parce qu'il y a au moins la frontière, euh, euh, comment dirais-je, fluviale. On monte par le pont, on descend, les, <laughs> pirogues, on peut savoir. Je ne vois pas pourquoi continuer à, à, à, pénaliser les populations, parce que celui qui vient à Niamey ne peut pas savoir les difficultés que les gens vivent là-bas. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai vécu l'expérience, je sais de quoi je parle. Et je sais que c'est une bêtise que de continuer à considérer que non, non, ils vont nous prendre par surprise. Alors, nous, parce que nous sommes aussi machin quoi, pour, penser que ces gens-là, ils peuvent venir. Non, moi je dis, de la même manière, il faut ouvrir aussi du côté du, du, Bénin. Merci beaucoup, Hussein Sajibo, Memouna Diado. Le Nigeria qui partage environ 1600 km de frontière avec son voisin immédiat est l'un des principaux partenaires commerciaux du Niger. Euh, quelles sont les véritables attentes des populations de ces deux pays rapidement euh, Les véritables attentes, c'est que les activités économiques reprennent puisque entre le Nigeria et le Niger, c'est vraiment euh, des activités commerciales, hein, qui surtout entre Maradi, vers Maradi et Nigeria. Je pense que euh, les deux pays, personne n'a à perdre. Hein, personne n'a à perdre parce que déjà nous connaissons que euh, les produits qui viennent du Nigeria, aujourd'hui il y a beaucoup de Nigériens qui vont au Nigeria pour faire leur commerce pour prendre et puis faire des transactions et revenir. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, mais ce que je voudrais juste euh, attirer l'attention des uns et des autres, c'est que il ne faut pas perdre de vue les contrôles au niveau donc de ces frontières-là. C'est pas l'ouverture qui inquiète, mais aujourd'hui, ce qui peut se passer aussi. Euh, qui rentre et qui, sort. Qui rentre et qui sort. C'est ça aussi qui, qui, doit euh, nous interpeller il ne faut pas que aujourd'hui, parce que c'est de bonne guerre, c'est vrai, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut faire les transactions commerciales, il faut faire tout, mais il faut également euh, être, vigilant. Donc le côté du Niger doit être vigilant, ouvrir les yeux pour mieux regarder qui rentre et qui sort. Merci beaucoup, Memona Diado. Le Nigeria avait en effet été le premier pays à appliquer les sanctions drastiques contre le Niger euh, suite à la prise du pouvoir par les militaires du CNSP qui ont renversé Bazoum Mohamed. En plus de la fermeture des frontières terrestres et aériennes, le Nigeria a suspendu l'approvisionnement du Niger en électricité alors euh, qu'il fournit près de 70% des besoins du pays. Selon vous, que faire pour normaliser davantage les relations entre les deux pays, le Niger et le Nigeria Moi, je pense que euh, dès lors que euh, les frontières euh, sont ouvertes, la population s'occupe du reste en réalité. oui, le Nigeria a lâché, que je sache, l'électricité. Le reste, les populations, comme Ousseini a eu à le souligner, les gens ne se sont pas arrêtés euh, même que les deux États avaient officiellement fermé ses frontières. Et donc euh, les relations, les, échanges vont reprendre euh, davantage et ça va se poursuivre. Ça là, c'est la communauté d'intérêt. Nous sommes liés par la nature, nous sommes liés par l'histoire. Par chefs, les chefs d'État sont des personnes de part et d'autre qui sont de passage. les populations sont là, les frontières sont là, et ça ne peut qu'aller vers vraiment, vraiment une ouverture encore beaucoup plus avancée de ces, de ces frontières-là. Ce qui m'inquiète, c'est le cas du, du, Bénin. Et ça, euh, l'appel que j'ai à lancer au CNSP, c'est vraiment de, communiquer par rapport à cette situation. effectivement, le Bénin avait, avait aussi annoncé la réouverture euh, de ses frontières avec euh, le Niger, mais les autorités euh, de la transition ont maintenu le blocus du côté nigérien, bien que Niamey et Cotonou ont pu s'accorder sur la mise en service du pipeline d'exportation du pétrole brut nigérien à travers le Bénin. Comment expliquer cet état C'est ce que j'ai dit. Euh, j'ai dit qu'on doit, le CNSP doit communiquer d'abord pour les Nigériens. Parce que souvent, ils ont, oui, l'armée, c'est généralement la grande miette comme on dit. C'est comme cette question des échanges avec les États-Unis, euh, concernant l'accord militaire avec les États-Unis, n'est-ce pas Il a fallu que ça soit dénoncé et même avec la dénonciation, euh, beaucoup d'entre nous ne savions pas quel était le contenu de ces accords-là c'est finalement au fur et à mesure que ça a fuité et qu'on qu'on a compris qu'on était très grugé euh, dans cette affaire et qu'il faille vraiment nécessairement. Selon, selon vous, les autorités du CNSP doivent par exemple, dire concernant aux le Bénin, euh, le la, frontière du Bénin reste toujours fermée. Justement, parce que, un, je ne sais pas si vous voyez quelques annonces au niveau des, réseaux sociaux et tout, qu'il y a des attaques quand même dans la zone de Gaïa de plus en plus. ces, euh, derniers, ces, derniers, temps ces derniers temps. Et même du côté du Bénin. oui, et du côté du Bénin. Deux, la rumeur qui circule, la rumeur qui circule, c'est que le partenaire qui est parti, n'est-ce pas Du Niger, le partenaire, les soldats, les militaires français. Français qui sont partis auraient posé leurs pieds, n'est-ce pas Au, du côté nord du Bénin. Au nord Bénin, notamment du côté du parc W. C'est ce qui se dit. J'ai dans une télévision de la place un débat euh, sans vraiment prendre des gants un des intervenants l'a dit tout simplement. N'est-ce pas Or, quand l'armée française devait quitter le Niger, ils ont d'abord envisagé de passer par Gaïa. Notre, euh, le CNSP a refusé. Il a fallu aller par le Tchad. N'est-ce pas Donc, tous ces aspects, c'est des questions qu'il faut mettre, oui, dans euh, le panier, mais le besoin euh, de nos populations de part et d'autre, d'effectuer euh, l'aller-retour, de, de s'approvisionner en matière euh, alimentaire, de vendre n'est-ce pas Parce que aussi les exodants et tout le monde, en fait, c'est une route, une des principales routes de ce pays, en tout cas pour aller vers, vers, la, vers la mer. Donc, c'est extrêmement important que le CNSP, n'est-ce pas, avec tout, toute la méthode qu'il faut, sortent pour dire au Nigériens... voilà, vous voulez dire qu'ils soit vigilant soit, oui, bien sûr. En tout cas, nous informer d'abord. Il y a eu un moment où, les Nigériens étaient même contre la rouverture de cette frontière. Aujourd'hui que c'est ouvert, on reconnaît que c'est extrêmement important cette frontière aussi, pour, surtout pour nos concitoyens qui sont dans cette zone-là, mais qu'on sorte pour leur expliquer, voilà les raisons pour lesquelles vraiment on laisse. Oui, vous croyez, les gens croient en eux encore. Mais malgré tout, tant qu'il n'y a pas l'information nécessaire pour dire aux gens que voilà pour quelles raisons on a fermé, je crois que les gens ne peuvent que s'impatienter. Oui, heureusement que Gaïa est aussi à une frontière avec le Nigeria et les gens vont et reviennent au Nigeria, mais ce n'est pas les mêmes. Chaque route a sa spécialisation, par exemple. tu as spécialisé en tel aspect de la vie de la communauté. Donc, c'est vraiment important, c'est une route importante qui est bloquée. Et cette fois, pas par la faute de l'autre, mais par notre propre faute. Donc, on a à dire à notre population que voilà ce qui ne va pas. Patienter, ça va venir, voilà pour quelle raison on a Merci beaucoup, Abachariarimi. Nous sommes au terme de ce forum de la presse euh, du studio Kalangou. Merci à nos invités, Mamouna Diado, journaliste indépendante, Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Si vous nous avez suivi en cours de diffusion, pas de soucis, Rendez-vous sur notre site internet www.istudiocalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Euh, merci aussi à la technique assurée par Saini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.